bon moi euh, faut savoir que pour l'année-ci, moi depuis que je je suis je suis si parce que as là. un parce que nous ne sommes pas demandeurs deux parce que c'est l'idée vient de, ces gens-là qui ont quelque chose à cacher, qui ne veulent pas que les Sénégalais sachent la vérité. Donc, euh, pour ça, ils ont essayé de, de lancer cette idée pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, je suis absolument contre. Et je continue à vouloir ce procès-là. Je veux un procès parce que je veux aussi avoir l'opportunité de, de, de, de, laver mon honneur, mais aussi démasquer ces gens-là qui m'ont mis en prison. Parce que ñom bir j'attends le procès avec impatience. Et vous demandez le procès public Je ne demande que ça procès public procureur Mohamed xamante ni moom moo auto-saisir mu et je demande que ça soit lui mon ñëw toog il faut pas qu'il puisse envoyer euh, non le gars qui s'est auto-saisi dama bëgg moom ci boppam mu ñëw mu toog ma tok mu wax ma wax loolu laa bëgg man mën naa dem sax dem procès sans avocat waaw parce que euh, li ma xam xam Il ko waaw. yaakaar nga ne procès boobu dina am. Euh, yaakaaruma ko yaakaaruma ko parce que euh, xam nga gars yi comme ci ci tappal lañ nekk ñoom ñoo gën a xam ni dossier bi amul amul dara li ñu wax amul ñoo ñoo ñoo gën a xam moo tax ñoom ñuy daw procès mais sinon depuis un an neuf jours que je suis en prison lan moo leen empêché hein comprendre dem dem dem procès pourquoi ils ont jugé d'autres et moi ils m'ont ils, ils m'ont pas jugé parce qu'ils n'avaient même pas en fait là où s'accrocher d'habitude les gens, on, les arrête, ensuite on cherche euh, un poste ou bien quelque chose comme ça, et ils vont essayer d'interpréter pour, euh, pour, pour, Google Nitki. Mais moi, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas de quoi interpréter. Les relevés des cagnottes, j'ai tout pris et j'ai mis, j'ai déposé ça sur la table du juge. Et je lui ai dit, sur les 22 000 transactions que j'ai déposées sur votre bureau, chercher au moins rien qu'une virgule pour m'incriminer. C'est un défi que je le lance. Donc, j'espère qu'il va regarder cette vidéo et que et que il va il va il va répondre à ce défi. Le la beaucoup euh, cagnotte pour capitaine Touré cagnotte pour Guy est-ce que vous regrettez de le faire. Non, moi, je ne regrette absolument rien. Encore qu'il faut souligner que moi, la, la, la, la cagnotte de Capitaine Touré, j'ai fait partie des initiateurs, mais elle n'a même pas été créée à mon nom. Même si je fais quand même partie de ceux-là qui ont, qui ont, qui l'ont lancé, qui ont fait en sorte que euh, la cagnotte puisse prendre de l'ampleur. Et j'ai été dans l'initiative du début jusqu'à la fin. Mais je ne regrette absolument rien, ni pour Kimaru Sagna, ni pour, euh, ni pour Capitaine Touré, ni pour Ndekhadinia, ni pour personne, ni pour Oumam Dao, ni pour personne. Je ne regrette absolument rien. Le plus me je l'assume totalement. Je l'assume totalement. Et si c'est à refaire aujourd'hui, je vais le refaire. Donc, euh, si ces gens-là m'ont mis en prison pour essayer de m'intimider, je peux leur dire que bon, vous avez échoué. Ouais, parce que aujourd'hui, je suis encore plus déterminé que je l'étais avant.